C'est un recul pour le Niger de place euh, effectivement, à la 59e position, euh, qui s'explique notamment euh, au cours des mois et de l'année passée par des attaques répétées que l'on a constatées, notamment à l'encontre du journalisme d'investigation. Des attaques contre l'événement, par exemple le journal et son directeur de publication, qui est par ailleurs membre du, du la cellule Norbert Zango pour le journalisme d'investigation, qui fait l'objet de, de, poursuites et, et dont la décision devrait être connu euh, début mai. On peut citer aussi euh, la garde à vue euh, d'Ali Soubana, le, directeur de publication du courrier, qui restait deux jours en garde à vue dans le cadre de la même affaire, celle des surfacturations de, matériel militaire à laquelle il avait contribué à faire certaines révélations. On pourrait citer aussi le cas de la blogueuse Samira euh, Samou qui, Sabou pardon, qui a passé plusieurs semaines euh, en détention euh, pour des faits de, diffamation. et puis on peut citer aussi un cadre légal qui s'est durci et avec lequel on a tendance à, s'arranger. J'en veux pour preuve cette nouvelle loi très controversée sur la, cybercriminalité qui date de deux ans maintenant et qui prévoit des peines allant de, six mois à trois ans de prison pour des faits de diffamation et qui ne prévoit pas d'exception journalistique, c'est-à-dire que Niger a consacré la fin des peines privatives de liberté euh, pour euh, les journalistes dans l'exercice de leurs fonction avec euh, la loi sur la presse, mais a sorti un nouveau texte du chapeau pour euh, qui criminalise euh, le journalisme euh, en ligne. Donc les garanties dont bénéficient les journalistes sur les médias traditionnels, entre guillemets, ne s'appliquent plus pour les journalistes en ligne. Donc on a un cadre légal qui s'est durci. Et puis je pourrais vous citer également deux autres informations qui nous sont remontées et qui font l'objet de, de, de, de publications et d'explicitation de cette place du Niger au classement. Un accès à la publicité qui reste difficile pour les médias et puis des médias publics qui sont encore plus des médias euh, d'État qui peinent à s'affranchir euh, de, leur tutelle pour offrir une véritable information de service public. Voilà ce qui euh, empêche entre autres le Niger de continuer à, progresser au classement comme il était parvenu à le faire au cours des années précédentes. Écoutez, le Niger n'échappe pas effectivement, je dirais, aux grandes difficultés supplémentaires auxquelles ont été confrontés les journalistes du monde entier dans, le traitement de cette actualité liée à, la pandémie. Néanmoins, euh, à, l'inverse de, beaucoup de pays euh, africains nous n'avons pas noté euh, de, progrès, de problèmes pardon, plus importants au, Niger qu'ailleurs. Il y a toujours des problèmes d'accès, notamment à l'information hein, concernant cette, cette pandémie, mais il n'y a pas eu de, de problème, si vous voulez, particulier lié à cela euh, concernant euh, le Niger. Ce qu'on peut dire d'un point de vue général et d'un point de vue mondial, c'est qu'effectivement, la, pandémie a eu tendance à amplifier et à exacerber les problèmes et les menaces auxquelles sont confrontés euh, les journalistes. Et pour vous donner un exemple, à l'échelle du continent africain, on avait noté par exemple que pendant la première vague, c'est-à-dire il y a un an, hein, entre mars euh, et mai euh, l'année dernière, si vous voulez, une recrudescence et une multiplication par trois des agressions et des arrestations arbitraires euh, de journalistes dans plusieurs pays du continent africain. donc on a eu à la fois des problèmes d'accès à l'information et je dirais une accentuation de la répression par rapport à la couverture de cette actualité.